le forum de 26 minutes, mesdames et messieurs auditeurs euh, et auditrices, veuillez nous en excuser une fois de plus pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Le forum de ce soir est consacré à la question d'adoption d'enfants. Qu'est-ce qu'est l'adoption Quelles sont les différentes formes d'adoption Quelles est ou quelles sont les procédures à suivre pour adopter un enfant au Niger Avec nous dans ce studio, un invité, Amadou Roufaï Marziki, directeur de l'orphelinat Le Bon Samaritain basé à Niamey. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Nous avons par ailleurs réalisé des interviews avec d'autres acteurs, un ouléma, un pasteur, un juriste relativement au sujet de l'adoption. Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre forum d'aujourd'hui, je le disais tantôt, traite de l'adoption d'enfants. L'adoption, est une procédure légale permettant de constituer une famille à partir d'une autre d'une autre forme de filiation que la filiation biologique. Pour plus de détails sur cette question, je vous propose de suivre Sani Kabir, juriste, docteur en droit privé à l'université Abdou Voici ce qu'il nous dit. En fait, l'adoption, c'est un mécanisme juridique qui permet à un couple, une catégorie de personnes, d'adopter un enfant, mais c'est vrai, mais dire encore c'est quoi l'adoption, de prendre un enfant comme si c'était le leur et de créer une relation de filiation à partir d'un lien juridique. Donc, à l'origine, les parents qui veulent adopter ne sont pas les parents biologiques de l'enfant adopté, mais ils créent à partir de l'adoption une filiation, un lien, comme si c'est le cas entre parents et enfants. Il y a combien de types d'adoption d'ailleurs Oui, l'adoption coutumière et l'adoption plénière. Euh, l'adoption coutumière, en fait, vous savez, votre soeur peut vous donner votre fils, son fils à adopter. Il n'y a pas trop de contraintes. C'est une pratique coutumière qui est admise. Euh, elle n'est pas aussi contraignante. La plupart du temps, le frère donne sa fille à, à adopter à sa soeur ou vice-versa ça, c'est une tradition qui est, qui est, pratiquée selon les ethnies, selon les groupes géographiques ou d'une région à une autre. Donc, elle est plus flexible. On n'a pas besoin de jugement. Et vous savez que souvent, on arrive à des cas où un enfant va être inscrit à l'école et <laughs> l'instituteur demandera comment s'appelle l'enfant, il va donner son nom parce que pour lui, le fils de son frère, c'est son fils biologique. Et c'est après qu'on va donner le jugement de, euh, de, rectificatif pour corriger l'état civil initial. La réponse plénière, c'est vraiment celle que le code civil euh, utilise. Il faut passer par un jugement. Il faudrait un jugement qui consacre l'adoption, un acte administratif qui légitime, comme je vous ai dit, la légitimation adoptive. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant X est devenu le fils adoptif, donc légitime de Y si on se limite aux, droits civils, je vous cite les dispositions de l'article 344 du Code civil applicable au Niger. Il dit que l'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de 40 ans. Ça veut dire que si manifestement vous n'avez pas au-delà de 40 ans, en tout cas au regard de votre état civil, vous ne pouvez pas euh, adopter un enfant. Et au jour de l'adoption, on dit bien, elle peut être demandée conjointement par, deux, par les deux époux non séparés de corps de l'an est au moins âgé de plus de 35 ans, s'ils sont mariés depuis plus de 10 ans et n'ont pas eu d'enfants issus de ce mariage. Donc la loi pose des conditions strictes. Normalement, la ligne euh, 2 de l'article dit les adoptions ne devront avoir au jour de l'adoption ni enfants ni descendants légitimes. Cela veut dire que le couple qui demande à adopter des enfants, en tout cas au terme du code civil, hein, il ne doit pas avoir eu des enfants légitimes ni des descendants légitimes. Voilà entre autres les conditions que la loi pose. Vous venez de suivre là, docteur Sani Kabir, juriste en droit privé. Alors on sait que pour diverses raisons, les uns et les autres peuvent être amenés à adopter un enfant. Il faut dire qu'au Niger, il existe des structures publiques ou privées d'accueil d'enfants en difficulté familiale. C'est le cas donc euh, de votre centre, l'orphelinat Le Bon Samaritain, Amadou Arzika, Amadou Ma Maarziki, directeur de l'orphelinat Le Bon Samaritain. Présentez-nous euh, brièvement votre centre, à quand remonte sa création et quels sont ses objectifs visés. Notre centre a été créé à travers l'ONG ADN Kamna. ADN Kamna, c'est Action pour le développement du Niger, dont son siège est basé à l'Institut cinéma HD. Donc euh, l'orphelinat a été créé aussi sur les, parce que l'ONG a été créée par les Églises Assemblées de Dieu du Niger. Donc euh, l'orphelinat a été créé en 2002 avec euh, un missionnaire ivoirien au Niger. Donc depuis 2002, il a dirigé l'orphelinat jusqu'en 2014 où il est rentré définitivement. Et, tant que j'ai travaillé avec lui, je l'ai remplacé automatiquement depuis 2014. Quels sont les objectifs euh, visés donc au niveau de, euh, notre, Notre objectif, c'est la lutte contre la délinquance juvénile. C'est-à-dire, euh, nous pouvons acquérir des enfants plusieurs, derrière plusieurs catégories. Ce ne sont pas seulement des orphelins. Nous avons des enfants des malades mentaux. Nous avons des enfants dont les parents sont morts de VIH, mais sont, les enfants se portent bien. Et nous avons des enfants des handicapés, des enfants des filles mineures, des enfants jetés, des enfants qui sont vraiment à réelle difficulté, des enfants de la rue. Donc, euh, il y a aussi des enfants dont les parents sont divorcés et personne ne veut assumer la garde des enfants. On arrive à avoir aussi ces cas. Donc, nous avons plusieurs cas des enfants Actuellement, nous comptons 74 enfants internés. Euh, comment arrivent ces enfants au niveau de l'orphelinat euh, Comment vous faites pour, pour prendre en charge ces enfants au niveau du Bon Samaritain Comment arriver C'est une procédure aussi judiciaire avec les juges des mineurs. Nous travaillons avec les, deux, juges des mineurs qui sont au tribunal de grande, instance de Niamey. Donc, euh, lorsqu'il y a un enfant, il y a d'autres parents secondaires ou parents proches peuvent nous orienter. Il y a d'autres qu'on nous amène, il y a d'autres que la direction de la protection de l'enfant nous amène aussi. Il y a aussi le juge des mineurs quand il est en, cas de euh, en face de certains cas, il euh, nous appelle pour étudier les cas pour placer les enfants. Donc euh, ça vient de, un peu de tout part. 74 enfants actuellement internés, c'est beaucoup ou c'est moins par rapport à ce que vous avez l'habitude de, Oui, c'est beaucoup parce que il faut dire, euh, gérer 74 enfants, c'est beaucoup, c'est pas du tout facile. Et même si on a, assez de moyens pour prendre en charge, c'est pas du tout facile parce que là, il s'agit de la vie humaine. Il s'agit parce qu'il s'agit de 74 comportements différents. <laughs> Est-ce que, est -ce que ces enfants que vous gardez peuvent être adoptés par euh, des demandeurs ou personnes physiques, par exemple Oui, ils peuvent être adoptés parce que nous avons actuellement euh, quatre enfants adoptés aux États-Unis et un couple nigérien qui a, euh, qui a aussi adopté, un couple américain résident au Niger qui a adopté. Donc nous avons des cas d'adoption et actuellement nous avons des dossiers d'adoption. Comment procède-t-il Comment faut-il procéder Oui, comme je vous ai dit déjà, pour placer un enfant, c'est le juge de mineurs qui ordonne le placement. Il faut une enquête sociale et quand cette enquête sociale s'avère vraie, les juges ordonnent le placement de l'enfant dans notre centre. Donc ils sont arrivés déjà euh, parce que les juges, les tribunaux contrôlent ce qui sort et ce qui rentrent. Oui, je veux dire, quand quelqu'un veut adopter un enfant, comment est-ce que c'est Il s'adresse à vous ou il s'adresse au, juge des euh, euh, ça, C'est un travail qui se fait peut-être en trois étapes. Parce que d'abord, il y a nous, les concernés. Si un parent ou un couple veut adopter un enfant, il s'adresse d'abord à nous lorsqu'ils s'adressent à nous, ce sont plusieurs enfants. Ils donnent d'abord leurs critères. Est-ce euh, une fille, est-ce qu'il y a un garçon, quel âge donc, il faut qu'ils donnent leur caractère et qu'ils fassent leur choix. Donc, dès que les choix fait, nous, au niveau, nous sommes des orphelinats privés. Nous ne faisons que des adoptions privées. Et qu'est-ce que ça signifie L'adoption privée, ça signifie qu'il y a au moins un des membres des parents qui accepte de donner son enfant qui fait une décharge parentale au niveau d'un notaire. Il s'en va, par exemple, les dossiers qu'on a actuellement, la fille qu'ils veulent adopter, tous les parents vivent. Et les parents vivent parce que la maman, ils ont des problèmes, ils ne sont pas ensemble. Donc les deux parents doivent dire, OK, nous sommes d'accord pour adopter notre fille. Et quand il s'agit d'enfants euh, qui n'ont pas de référence familiale Si il s'agit de l'enfant qui n'a pas de référence familiale, il faut se référer au ministère de la protection de l'enfant. Ils sont les seuls habilités à faire ce genre d'adoption. Mm, et je le disais tout à l'heure, donc en début, qu'il existe aussi un centre public d'accueil d'enfants en détresse. Il s'agit notamment du centre d'accueil de Niamey qui a été créé en 1979 et qui dépend de la Direction générale de la protection sociale au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Euh, donc, euh, le centre a pour mission d'accueillir et de prendre en charge euh, les enfants en difficulté familiale, enfants abandonnés, des orphelins sans soutien, enfants en danger physique ou moral, en leur assurant les soins, l'alimentation, l'éducation. Certains enfants répartiront dans leur famille de naissance et d'autres trouveront leur avenir auprès de familles adoptives au Niger ou à l'étranger, ou encore ils seront pris en charge par des structures adaptées. La procédure qui existe pour adopter donc euh, ces, enfants, euh, notamment l'adoption plénière, s'est fait au niveau du ministère en question, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et entre autres pièces constitutives pour le dossier d'adoption, nous pouvons citer il y a notamment un certificat de mariage des conjoints, au moins 10 ans de mariage, un certificat de stérilité primaire de l'un ou des deux conjoints, c'est-à-dire euh, sans enfant ou euh, euh, sans biologique, mm-hmm. délivré par un gynécologue, état du revenu mensuel ou annuel des, conjoints qui mm-hmm. demandent, une attestation d'agrément d'adoption pour les étrangers délivrée par les services sociaux du pays de résidence du couple candidat. Effectivement. Il y a également parmi ces ce, dossiers euh, un certificat médical attestant l'échec des tentatives de procréation assistée par, mhm. euh, par le couple. Il y a également le, un, bulletin de casier judiciaire de chacun des conjoints qui, est, demandé. Donc ça, c'est un peu les, les, les quelques euh, éléments constitutifs euh, donc, euh, du dossier d'adoption mhm. qui doit être adressé au niveau du ministère de la Promotion et de la Protection de l'enfant pour ce qui est de cas des enfants qui sont internés au niveau du centre d'accueil de Niamey. Mhm. Et pour l'adoption simple, elle s'est fait soit au niveau de la justice avec une procédure tout à fait différente. Mhm. Et je voudrais là, de vous demander est-ce que vous avez un commentaire particulier sur les procédures en, vigueur les procédures d'adoption Oui, les procédures en vigueur, un peu par exemple avec euh, les ministères. Ici, nous, nous avons les documents, par exemple, à fournir. Il y a un acte de naissance de monsieur et madame, acte de mariage, enquête sociale du couple, certificat de stérilité du concerné, deux photos d'identité, certificat de travail de monsieur et madame, attestation des revenus de monsieur et madame, enquête psychologique de monsieur et madame, Cagé judiciaire de monsieur et madame, passeport ou carte d'identité de monsieur et madame, photo de famille, certificat de résidence, certificat médical. Apparemment, c'est les mêmes. Oui, apparemment, c'est les mêmes. Mais au niveau, parce que l'adoption, souvent, ce n'est pas. Euh, ce n'est pas la, euh, ce n'est pas seulement ceux qui ont des euh, qui n'ont pas des enfants qui font ça. Même ceux qui ont des enfants biologiques. même ceux qui ont des enfants biologiques. Nous avons, comme le docteur, j'ai entendu le docteur juriste qui a parlé, il y a l'adoption aussi simple. il a d'adoption Oui, d'adoption coutumière, et d'adoption simple, mais aussi il y a l'adoption totale. Parce que c'est quoi Quand vous adoptez un enfant, par exemple, quand les, les cas, et ils ont des enfants, par exemple, ils ont des enfants, pour adopter un enfant, le juge doit maintenant s'intéresser à ça. Qu'est-ce qui revient de droit à cet enfant dans la famille oui, parce que pour nous, l'acte d'adoption n'est pas seulement pour ceux qui ont, euh, qui n'ont pas des enfants. Il peut y avoir des familles qui s'intéressent à prendre un enfant parce que c'est un acte d'amour, c'est un acte euh, religieux aussi, pour avoir, pour avoir un enfant dans la famille. Alors justement, le docteur l'avait dit dans, son, dans, son, dans, son, euh, dans le développement de, de, sur cette question. Il, disait en fait que cette adoption plénière nécessite, c'est pour ça là que ça nécessite même un jugement. Un jugement, effectivement. Pour que les uns et les autres puissent être mis devant, euh, la responsabilité. Et il dit quelque part que l'enfant, une fois adopté de manière plénière, euh, va jouir de tous les droits que euh, les autres enfants. Alors, nous allons avancer à la question prochaine, c'est de se demander est-ce que l'adoption est-elle permis, est permis par les religions à ce sujet, nous avons donc posé cette question, entre autres, à des religieux, un musulman et un chrétien. Je vous propose d'abord de suivre le révérend Sabo Bachiri, qui est secrétaire général de l'Alliance des missions et églises évangéliques. L'adoption consiste à prendre un enfant euh, qui n'est pas son enfant biologique et de le considérer euh, comme son propre enfant, c'est-à-dire l'intégrer euh, dans sa propre famille et lui donner son propre nom à soi. Ah, l'adoption donc est permise au niveau de donc la religion christianiste. La foi chrétienne permet l'adoption. Lorsqu'on regarde la Bible, nous voyons que on peut prendre un enfant pour en faire son propre fils et euh, avec euh, tous les droits euh, justement liés à la paternité, à la filiation avec le père, il y a cette possibilité même pour les esclaves dans l'ancien temps. Et nous l'avons vu plusieurs fois dans la Bible que des esclaves même peuvent être adoptés pour qu'ils deviennent des enfants du maître avec plein droit, euh, notamment euh, dans la succession. Donc mm. l'adoption, c'est un principe euh, qui est vraiment accepté, qui est très répandu et qui est une bonne chose parce que bien souvent, ça donne un statut à des gens qui n'ont pas de statut, ça donne une situation acceptable à des gens qui autrement seraient désemparés dans la société. Est-ce qu'il y a des conditions pour que, pour que l'adoption puisse être justifiée Naturellement, celui qui adopte doit avoir un certain statut tu sais, la, la Bible est à cheval entre le, le, code civil qui est d'inspiration euh, vraiment biblique et aussi euh, les textes bibliques euh, en eux-mêmes. Eh bien, quelqu'un qui adopte, c'est quelqu'un qui veut aider. On peut adopter des orphelins, on peut adopter des gens, même qui ont leurs propres parents, mais on peut les adopter pour les aider, soit pour vraiment sceller une alliance ou une relation avec telle famille. On peut adopter un enfant qui devient notre propre enfant et qui prend place au milieu de nos propres enfants avec un, un, certain statut euh, social. Vous ne pouvez pas adopter quelqu'un juste pour le faire souffrir, non mm. Il faut que sa condition d'adopter euh, soit quand même un privilège qui lui est accordé. Si nous parlons de la relation entre l'enfant adopté et sa famille adoptive, alors euh, est-ce que l'enfant adopté, la foi chrétienne, cet enfant a droit à l'héritage de celui qui l'adopte Bien sûr, dans le cas d'une adoption plénière, l'enfant a les mêmes droits que les enfants euh, biologiques de la personne. Qu'est-ce que vous appelez adoption plénière Oui, ça c'est un terme juridique qui consiste à adopter l'enfant euh, pleinement. Euh, mais dans la parole de Dieu, quand tu adoptes quelqu'un, eh bien, tu l'adoptes comme ton propre enfant sans aucune discrimination à l'égard euh, de cet enfant par rapport à tes enfants euh, biologiques. Il a le même droit euh, sur l'héritage, par exemple. Il appelle son père, il appelle la mère. Est-ce que l'enfant adopté peut prendre le nom de celui qui l'adopte Oui, c'est ça même le sens de l'adoption. Prendre le nom de celui qui vous a adopté. Mais il y a une autre possibilité aussi, que vous soyez adopté par quelqu'un sans renoncer à votre propre identité euh, première. Il vous a adopté dans sa famille, il vous considère comme son enfant. Vous avez droit, comme ses enfants, à l'héritage, mais tout en conservant aussi le nom de votre père ou mère euh, que vous aviez auparavant. Et qu'en est-il des questions de mariage Est-ce que l'enfant adopté peut euh, prétendre marier la fille ou le, jeune, le garçon de celui qui l'adopte Dans la question du mariage, si vous êtes adopté dans une famille, vous êtes euh, partie prenante de cette famille. Vous ne pouvez pas, par exemple, épouser une fille ou un enfant de votre père qui vous a adopté. pourquoi Parce que euh, vous devenez une, une seule famille. C'est très fort, même si ce n'est pas des liens sanguins, mais c'est des liens moraux très, très puissants euh, devant Dieu. À nos jours, est-ce que vous pensez qu'il y a des droits, par exemple, de, de, certains enfants adoptés qui ne seraient pas respectés C'est vrai, il, y a souvent des, des, gens qui adoptent des enfants et qui les négligent. C'est pourquoi... Euh, on appelle à la vigilance des juges. Lorsqu'une procédure d'adoption est adoptée, il faut rigoureusement vérifier euh, est-ce que celui qui veut les adopter a les moyens de leur offrir un certain statut, une certaine éducation, euh, une certaine vie morale même parce qu'il ne suffit pas d'adopter pour adopter. Il faut adopter pour aider. Il y en a qui adoptent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y en a qui adoptent pour aider un enfant. Euh, nous venons de suivre donc le révérend Sabo Bacheri, qui est secrétaire général de l'Alliance des missions Églises évangéliques. Nous revenons à ce studio, ce studio avec vous, Amadou Rufai Marziki, directeur du centre de l'orphelinat Le Bon Samaritain. Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel vous voudrez revenir sur euh, cette intervention Oui, il y a des points particuliers parce que quand nous voyons l'adoption aujourd'hui, c'est 99%, je vais le dire, c'est des expatriés. Qui viennent faire, qui, viennent qui, demandent d'adopter des enfants. Qui demandent d'adopter des enfants. La, la société nigérienne ne s'intéresse pas. Pour la première fois, nous avons un dossier d'un cas d'un couple nigérien qui veulent adopter un enfant. Et ça, j'ai presque parcouru tous les avocats, les notaires, c'est la première fois. Ils sont étonnés de voir ces dossiers. Est-ce que vous savez déjà pourquoi les Nigériens ne s'intéressent pas à adopter des enfants nigériens C'est parce qu'il y a des problèmes de moyens C'est que dès le début, on a vu l'adoption traditionnelle. C'est elle qui prend dessus sur les autres adoptions. On préfère aller dans notre famille, prendre l'enfant d'un cousin, prendre l'enfant d'un grand frère, chercher quelqu'un. Et dans la plupart de ces cas d'adoption, comme le révérend Savo l'a dit, ça échoue parce que l'enfant est négligé. Souvent même, il n'a pas d'héritage. Du coup, quand les parents sont morts, cet enfant est abandonné à lui-même. Donc c'est pour ça qu'il est important de passer par, cette adoption juridique, juridique. juridique. Même si c'est un enfant de ta famille, quand on passe par une adoption, quand ça passe juridiquement, ça a plus de liens, ça a plus de force et de puissance. Oui. Alors, je vais vous proposer ensuite, euh, de, cette fois-ci, de suivre euh, donc, au Abdul Fattah Mahmoudou, qui est prédicateur euh, musulman. Adopter un enfant, c'est-à-dire que vous prenez l'enfant de quelqu'un que vous allez essayer donc d'éduquer, de mettre sur le droit chemin. Et cela trouve son origine aussi dans l'islam, notre messager sallallahu alayhi wa sallam a été adopté. On l'a donné à Halimatou Saadia pour l'allaiter et il a fait un long séjour avec euh, Halimatou Saadia jusqu'à ce qu'il grandisse. Et l'adoption des enfants est presque dans nos mœurs, si ce n'est pas maintenant que nos, nos, traditions se sont dégradées. Et entre les frères, les cousins, je peux prendre votre enfant et garder avec moi, je l'adopte. Et même si cet enfant-là, il, il, ne lui arrive même pas qu'il reconnaisse encore qu'il a un, un, parent quelque part. Le jour où il le sait, s'il se dirige vers ce parent, le même père-là peut lui dire, non, va, va retrouver ton père, moi je ne suis pas ton papa. Vous voyez Donc c'était dans nos traditions, mais malheureusement, avec les dégradations des mœurs, on a tendance à l'abandonner. En gros, ça veut dire que l'adoption d'enfants est permis en islam L'adoption des enfants est permise en islam. Est-ce qu'il y a des conditions pour, euh, pour adopter un enfant Bon, vous savez que l'islam se base sur la foi et la loyauté. Donc, euh, une fois que celui qui veut adopter votre enfant est un homme loyal dont vous êtes sûr de son comportement qui va donner une très bonne éducation à l'enfant. Donc, euh, je n'ai pas vu un texte spécifiquement qui dit que bon voilà, il faut ceci ou cela. Car au moment où on voudrait donner et le messager sallallahu alayhi wa sallam à Halima, il n'y a pas une condition qu'on a posée avant qu'elle ne prenne le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui adopter Qui est-ce qu'on peut adopter Oui, n'importe quel enfant peut être adopté. Si par exemple toi et moi nous nous entendons, je peux adopter ton enfant, c'est ainsi aussi que toi aussi tu peux adopter mon enfant. Même les enfants souvent dits illégitimes. Mais l'enfant illégitime, il est innocent. la faute n'est pas de lui, la faute c'est sont ceux qui l'ont rendu illégitime. Parlons à présent de la relation de l'enfant adopté avec sa famille adoptée adoptive. Et, est-ce que l'enfant adopté a droit à l'héritage de celui qui l'adopte Non, il n'a pas droit à l'héritage. Mais si celui qui l'a adopté a laissé un testament, que dire que bon, il faut donner telle chose à telle personne dans mon héritage, en ce moment on peut lui donner. Donc de son vivant, la personne peut désigner un bien pour... Un bien pour donner à l'enfant. Et c'est valable. Alors, et toujours par rapport à cette relation entre l'enfant adopté et sa famille adoptive, est-ce que l'enfant adopté peut marier euh, l'enfant euh, du monsieur ou de la dame euh, chez qui il se trouve Si, il peut, il peut, il peut marier ça, puisque les conditions pour prendre, ils ne sont pas, à moins que, par exemple, si j'adopte un enfant, l'enfant que j'ai adopté là, si il a tété le sein de, de, de, ma femme jusqu'à avoir cinq gorgées, en ce moment, il peut pas épouser euh, la fille de cette même mère là. Mais s'il n'y a pas cette relation euh, qui, qui, peut interdire ça, il n'y a aucun grief à cela. Est-ce que l'enfant adopté peut prendre le nom de, la famille euh, qu'il adopte. Non, il ne peut pas prendre le nom de la famille. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé un esclave avec lui, qu'il a affranchi, avec lequel il s'aime tellement. C'est Zayd ibn al-Haris. Dans la tradition même des Arabes, ils ont commencé à lui donner cette filiation pour l'appeler Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une révélation qui est venue faire stopper ça. Ma kana Muhammadin abarijalin min ahadikum. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est le père de personne parmi vous. Donc, il faut appeler Zayd par le nom de son père. Si la personne ne peut pas prendre le nom de sa famille qu'il adopte euh, la nation, et sa nationalité, alors s'il s'agit euh, d'une personne, d'un enfant qui n'est pas de la même nationalité que celui qui l'adopte Bon, vous savez que la nationalité, c'est chez les Blancs. <laughs> Au niveau de l'islam, il n'y a pas cela. La nationalité des musulmans, c'est la a illallah. Quels sont les droits euh, auxquels l'enfant adopté peut prétendre tous les droits que chacun de nous euh, peut, dont il peut jouir, l'enfant adopté aussi peut en jouir, sauf aussi certains euh, interdits que, l'on peut trouver en islam. En ce moment, on s'abstient. Abdul Fattah Mahmoudou, euh, prédicateur qui nous donne donc le point de vue de l'islam par rapport à cette question d'adoption. un commentaire peut-être Amadou Roufaï Marziki Oui, il a touché un point très fort. Lequel Sur la nationalité. Vous voyez, aujourd'hui, on rencontre ces problèmes. J'ai actuellement des enfants où c'est des enfants des malades mentaux, des enfants on a arrachés avec des folles, souvent avec des fous, qui n'ont aucun papier. Aujourd'hui, qui est là une difficulté pour avoir la nationalité. C'est vrai, la nationalité avec Dieu, <laughs> on peut le comprendre, mais aujourd'hui c'est nécessaire pour quelqu'un qui va à l'école, pour quelqu'un qui veut travailler, pour quelqu'un qui va s'identifier à la société. Il a besoin de la nationalité. C'est-à-dire que les enfants que vous avez, certains n'ont pas de nationalité. L'État ne prend pas en charge cette question L'État, oui, on a toujours euh, mis cette question devant l'État, mais il n'y a pas de réponse. Et surtout que la constitution nigérienne prévoit ça, parce qu'ils sont nés au Niger. Et ils sont nés au Niger, on peut s'appuyer, il y a un article auquel on peut s'appuyer pour leur faire la nationalité, sans fournir un, un acte de naissance des pères ou de leur mère. Mais aujourd'hui, ça devient un problème au tribunal. Aucun président ne signe ça. Pourtant, c'est légal. Est-ce que à l'heure actuelle, il y a un enfant peut-être que vous vous gardez qui euh, on en a. Ah c'est pas un enfant, des enfants même. Des enfants qu'on en a aujourd'hui, ils sont euh, à l'école. On m'a exigé, j'étais obligé d'appeler l'adresse pour euh, cas de brevet. Il faut présenter la nationalité. Aujourd'hui, c'est tout un problème. Et c'est des enfants qui ne sont pas adoptés, que nous nous gardons dans les centres. Nous ne pouvons pas les fabriquer des pères ou des mères ou certains papiers. Ils vont grandir demain, ils vont venir. Comment ils sont, comment ils sont appelés à, l'école alors À l'école, c'est acte de naissance, c'est pas leur nom de leurs parents. Mais il n'y a aucune trace des parents. Hein? Il y a certains enfants même, c'est au centre qu'on leur donne deux noms <laughs> au centre qu'on leur donne et des enfants qu'on ramasse qui d'abord là le père est inconnu peut-être c'est la maman ou bien la maman aussi jette. On ne connaît pas la maman et les papas. C'est difficile. Alors, dites-nous un peu euh, le quotidien de, ces enfants dont vous avez la charge. Comment ils cohabitent Oui, nous cohabitons vraiment. Pour nous, c'est une famille. Parce que ce qui manque à ces enfants-là, c'est vraiment la famille l'orphelinat, ce n'est qu'un mot administratif, comme je le dis toujours, mais nous vivons comme une famille. Moi-même, je vis avec ma famille, avec ses enfants. On dort dans les mêmes bâtiments. ils sont là, ils vont à l'école, ils étudient. On a beaucoup de tâches quotidiennes là-bas qu'ils euh, sont en charge, l'hygiène de l'air, euh, doctoire, la propriété de la cour. Il y a des chants, des répétitions, on a beaucoup des activités euh, avec lesquelles on les occupe. <laughs> Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes pour approcher ces enfants pour leur donner l'amour de la maman Oui, ou du père actuellement j'ai huit femmes qui travaillent avec nous et qui dorment là-bas sur place avec les enfants pouvoir les surveiller la nuit, travailler, parce qu'on a des bébés de zéro mois, tout ça. Donc, euh, on a assez de femmes. Y a-t-il des enfants euh, de ce centre qui sont déjà sortis euh? oui, nous avons quelques enfants qui sont déjà sortis. On a aujourd'hui un étudiant qui est à l'université. Euh, Moumouni À l'université Moumouni, oui. Et donc, lui, on l'a pris parce que la, sa maman est veuve. Elle n'avait pas les moyens et puis elle s'est remariée. Donc, déjà en classe de terminale, nous l'avons remis avec sa maman et il a eu son bac et il continue de vivre dans les foyers de sa maman. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà devenus euh, des fonctionnaires On a un soldat qui est actuellement à Gadès. Et on a gardé sa, sa maman est décédée, son papa était un Mais on a gardé l'enfant, il est devenu un soldat, il est en train de servir son pays. Il y a un autre aussi qui a eu son diplôme de télécommunication. Aussi, on l'a libéré. Il y a une aussi qui a eu son diplôme de marketing à ETEC. Quelles sont les principales difficultés auxquelles euh, vous êtes souvent confrontés les On a beaucoup de difficultés. Les, nos difficultés se résident. Nous n'avons pas des aides financières n'a pas des aides financières. Tout ce qui nous aide, c'est la matière, c'est la nourriture qu'on nous donne. Or, nous avons des gens qui sont employés et nous avons chaque jour les carburants. Il faut payer aussi des pains avec les condiments. C'est ça notre principaux, vraiment, les principaux difficultés qu'on rencontre. Vous ne recevez pas d'appui euh, de l'État L'appui de l'État, Récemment, en 2015, nous recevons de la prémature une tonne de, de pommes de terre ministère de l'Agriculture aussi cette année nous a donné 3 tonnes de pommes de terre. Voici l'aide que nous recevons de l'État. Alors, dites-nous, qu'est-ce, que vous a, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de la vie du centre que vous dirigez Un souvenir fort, par exemple Oui, souvenir fort parce que aujourd'hui, nous accueillons des bébés souvent des prématurés et souvent des bébés même qui n'allaitent pas. Ça fait une grande joie, c'est-à-dire un grand amour de voir un bébé qui est à la porte de la mort, mais par la grâce de Dieu qui s'en sort, qui va à l'école et qui travaille bien. Voici vraiment, c'est des souvenirs comme ça. Parce que souvent, quand on a un enfant de 7 ans déjà qui commence même à laver ses avis de lui-même, c'est vrai, il faut l'encadrer, mais quand on voit les bébés vraiment, quelqu'un qui est là, euh, devant tes yeux, il a grandi aujourd'hui, qui va à l'école, c'est merveilleux. Quel appel et eh, à l'endroit de qui pour le bien-être des enfants, pas seulement du centre, mais des la, enfants en difficulté, en détresse. Oui, l'appel c'est pour tous les Nigériens. Un jour, je disais à un séminaire, si chaque couple décide de prendre un enfant, il n'y aura même pas de Si chaque couple s'intéresse à intégrer un enfant dans sa famille en situation de difficulté ou un orphelin, on n'aura pas ce travail à faire. Donc l'appel, c'est pour tous les Nigériens de s'intéresser à ces enfants, comme euh, le prédicateur musulman a dit, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables de leur situation. C'est vrai, c'est leurs parents qui sont responsables de ça. Donc, euh, ensemble, nous pouvons aider ces enfants. Merci. Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, 18h passées de 57 minutes, nous sommes arrivés à la fin du forum de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous étions avec Amadou Roufaï Marziki, qui est directeur du centre d'orphelinat Le Bon Samaritain. Rendez-vous est pris demain, même heure et même fréquence, avec Amado Moumouni pour une nouvelle édition qui sera consacrée à l'insuffisance rénale. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.